dafa ni ma woon looy def ne na nga fexe ba xam ñu ngi ko seqal ñan la soko ko ba pare na nga fexe ba lu gis seen bopp si li ngay woote li mu woote nak woné na ni seq na ay ñëpp té man mi nga xamni téw na naa gis na ci sama bop utiliser le mot guerre dans son discours l'autre jour Macron a utilisé six fois le mot guerre c'est une guerre contre un ennemi à la fois invisible mais à la fois aussi insaisissable mais euh, cette lutte contre euh, ce virus-là a redonné. voilà le politique c'est pas nécessairement l'opposition l'opposition en fait partie mais. nationale il faut collectivement retourner au rôle politique de euh, premier de du politique c'est la gestion de la cité et aujourd'hui il s'agit de gérer collectivement la cité devant un danger qui, qui euh, peut remettre toutes les donnes dans le monde d'aujourd'hui. Et euh, il a donc euh, convoqué, hier il a fixé, il a fixé le décor et aujourd'hui il a montré qu'il entend mener cette lutte avec une unité, une union nationale. C'est ça qui justifie notre présence aujourd'hui.

Alors, le président de la République a pris des mesures euh, importantes, fortes, euh, pour faire face au Covid-19 euh, hier à l'occasion de son adresse à la nation. Êtes-vous en phase avec ces mesures Tout à fait en phase. Parce que j'ai dit que l'objectif qui transcende l'ensemble des objectifs, c'est l'union nationale. L'union nationale, non pas pour gagner des élections, mais l'union nationale pour sauver des vies humaines te yalla dafa wax ni euh, la tulqu bi aydikum al mahlaka ila al euh, tahluka la tulqi ay bi aydikum al tahluka nee bu len euh, def sen bop dans une situation bo xam bi fam ngeen jëm yéen ngi jëm ci lu nga xam ni daf leen di lor waaw nak su fekke ni mesures yu ñu am yépp c'est pour empêcher la propagation du virus kooku ñëpp si war jóg ju sàmm yaa ayyuha allazina amanu xuzu xisrakum yàlla nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen da ngeen ma gëm na ngeen fexe ba protéger seen bopp bu leen def lu nga xam ne di def leen di alag te lii nga xam ni moom la ñuy def su fekkee ni mesure yi mu def ak yi mu wax kenn dimbali wu ko si kenn xamul fam lay àgg moo tax situation internationale bu nga xam ne bii Màkka tëj nañ ko Medina tëj nañ ko jàkk Cheikh Ahmed Tijane

Nini surtout man fi ma a été euh, d'une euh, pertinence implacable le discours de Pape Malik la jaconde la la pétillance intellectuelle les justifications par rapport à l'histoire les justifications par rapport aux exigences du monde moderne euh, je dis bravo et que donc l'homme nga monde noir noir la Nous, en tant que leader religieux daanu joxe ay justification pour mieux commenter parce que ñun ñoo sur le terrain moom mi ngi ñun ñoy sur le terrain ñoko kay commenter ba paré nak joxé ay ñaan waaw waaw yaa y'a yaa muridu yaa qaimu bi nafsihi haza maradun jadidun wakfina min basihi kooku ñi nga xam yelif na leen yëpp à travers ici le Sénégal mais à travers la diaspora mais je voudrais faire une pointe pour la diaspora la diaspora sunu ay ñofa nek situation bi ni mu en Italie en Italie il y a 1,2 million de Sénégalais c'est la plus grande immigration après la Côte d'Ivoire et c'est là où les gens sont les plus atteints je voudrais lancer aujourd'hui ici aux Sénégalais de la diaspora et au-delà des Sénégalais de la diaspora au monde entier que nous avons xel diaspora bu baax baax dama apprendre dem très tous les ans, au week-end de Pâques, nous organisons la plus grande manifestation religieuse de la diaspora. Il paraît que le maire, euh, il est atteint. Je voudrais dire euh, aux Sénégalais de la diaspora qui sont à Tréviso que nous fi nek parce que nous sommes rek nous Nous ñun ñaan balu Nous suñu ñaané ba jallu yalla barel istighfar mais nous sommes aussi jéggalu parce que Yalla, dafa melna daf ñu won bopam dafa ni sanurikum aya sa fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu sama à l'horizon war sama bop si ñom à yaram ba nu amul du man dafa la ñu et de féliciter le président de la République euh, qui est aujourd'hui un chef d'état-major dans une guerre. Yalla y yalla may ans. Et au-delà euh, de cette guerre nécessaire pour euh, vaincre ce virus-là, au-delà de cette période-là, que l'on constitue une unité nationale. Parce qu'il y a des exigences qui sont plus dangereuses que l'exigence du virus, c'est l'exigence de développement, l'unité dont nous avons fait montre aujourd'hui, nous devons enfin montrer également pour régler les problèmes de notre développement. Je vous remercie.